3, 2, 1, 0. Mase haira bintuna Zama goya mo ba goya mo Shibani yambise se ya hawi Mbandum ni wana haira se Anne sibani matabi Masigano chora lale hei keine Tuba keine geno geni dele Gune se kobu ane desane Furo sani abako sibane Nyanda raba na na tare Yanga kwaiga kajiri jebe Akanu aduru igo irijere Akanu aduru igo irijere Petit frère maghago din bon, ni maha din bon tantan, petit ferme ses amours tout tarantin, isu sougin bon les bandits, ni ma sanno, petit frère, oh. vous êtes à la fadra, yeah, vous écoutez tous à la fada votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Bonjour et bienvenue sur l'émission Tout la Fada. Nous sommes à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Karam Minsani. Cette semaine, nous parlons des fêtes de fin d'année. Et eh oui, le 31 décembre approche et on sait que c'est une date que craignent les jeunes filles et garçons. Et eh, les jeunes, on se connaît an tournoi aran ba kar normal ad 31 woka aran go ceci basga basga mo igo garam feni igo garam feni igo ay foy fonte wodi bonheur baram salam ara de mala cette fois ah, Ok, d'accord. les fêtes de fin d'année sujet sensible chez les jeunes Rabi vous a briefé sur l'organisation et les tendances moi je vais vous parler sur la fête euh, ok d'accord est-ce qu'on est chaud Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ces fêtes euh, Les jeux d'alliance, les jeux d'échecs, les micmacs des filles euh, pour suturer des sous aux gars et les gars pour tenter de sortir avec plusieurs meufs et en même temps. Alors, les nombreux accidents aussi pendant cette période. Bref, on va discuter de tout ça avec les principaux concernés sous le thème les fêtes de fin d'année, impact, conséquences sur les jeunes et tentatives de résolution des problèmes qui y découle. Alors je te souhaite la bienvenue, ma soeur. Je commencerai par elle qui m'a dit qu'elle a plusieurs mecs, c'est ça <laughs> bah, C'est ça que tu m'as dit au quarantaine. Ah, non, je te grille pas, vas-y, tu... ça va, tu vas bien Bonjour. Euh, comment est-ce qu'on t'appelle euh, je suis maman les Farida, étudiante en deuxième année. Tu as combien de mecs, s'il te plaît, dans ta vie De toi à moi, à, à l'occasion de ces fêtes <laughs> Non, de toi à moi, dis-moi.

Lomé. Ouais. D'accord. Alors, ma soeur, je souhaite la bienvenue sur l'émission. Comment est-ce qu'on t'appelle Je m'appelle Souma Lézif Sharif. C'est un programme de 20h à 0h, le mec. De 0h à 2h du matin, un autre mec. Et de 2h au petit matin, le troisième mec. Est-ce que c'est de cette façon Ça, c'est mon plan. Comment vous avez fait pour ça <laughs> Super Et nous sommes aussi avec la seule fille au monde qui a un seul mec et qui l'attend impatiemment. <laughs> Je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Merci. Moi, c'est Karima. Karima, ça va ah, ça, ça Et en droit, on m'a dit, ah, étudiant, en droit, on m'a dit que euh, tu, tu, tu, as un seul mec. il est même pas là et tu l'attends pour le 31. Il l'attends impatiemment. Et puis, il s'est fait lui. Hey Hey Hey Alors, 35 minutes non, ça va pas choper. de la musique chronique, oh, Miss Olivier sera de la partie euh, pour nous dire, fait, ce qui se passe, fait, pendant aussi cette fête. Tous à la FADA se retrouvent une fois de plus sur le campus universitaire. Nous sommes à l'arrêt des de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le Niger à Minia. Bon, nous sommes avec les jeunes gens, garçons et filles, pour discuter du thème de la semaine, les fêtes de fin d'année, impact, conséquences sur les jeunes et tentatives de résolution des problèmes qui y découlent. On attaque déjà le sujet avec nos invités. Vous êtes d'accord avec moi voilà Ok, super. Alors je commencerai par donc cette dame qui est en face de moi qui me dit qu'elle a un programme énorme pour cette fête euh, d'abord. Dis-moi ton nom s'il te plaît. Euh, moi, c'est Souman Essif tout. Alors, le 31 décembre approche et vous avez déjà <laughs> votre programme. Ah oui. Ça, hein. sûr. Ah <laughs> mais entre nous, <laughs> honnêtement, c'est une sortie euh, one way euh, avec son chacun ou sa chacune, ou bien il y a plusieurs plans avec d'autres copains ou copines. On se connaît, on ne se casse pas les choses. En principe, une structure, ça Bon, c'est ça, c'est ça. Je vous, ai, je vous ai dit comment vous avez fait pour dévoiler mon plan. Ah, Parce que ça, c'est mon plan moi, que j'ai tracé moi seul dans le noir, toute seule. Alors, alors, alors retrace-nous ton plan, au fait, toi, moi, Indini Gamara, considère que c'est un toi et moi, en fait. C'est quoi le plan plan <laughs> Non, non, non. Eh, eh, eh, c'est une déclaration. T'as vu T'as vu C'est une déclaration ouverte. Non, non, c'est pas une déclaration faite. En fait, non, non, en fait, problème la banque créé. Non, non, non, non, problème n'a pas créer. Ok. Il y en a plusieurs. La première. Même ma soeur là qui a dit, elle a un seul bon. Ça, c'est entre parenthèses. Ah ah elle veut se jouer. Ah je suis pas d'avis. Je suis pas d'avis. A ka feni. Dossier bobo vraiment. Hmm. Dossier ba donc euh, un dossier cool no heure hinkinka. Mhm. Femme heure hinkinka. Beaucoup gonde hinka. Donc 20h 22h. 20h 22h. Y compris les retards parce que les retards oh, au <laughs> Ay forara ko. Ay allez Ay forara. Même les retards sont comptés <laughs> dans les 2h. OK, Aïchora. Ouais. Qu'est-ce que c'est amadu musa ismail amadu musa hey. amadu nima da kai wai maci huh? nima an kaci eh, ai wai ma ai ma kaci sanno sanno matanon dida ago just wala si just wallahi tiri ayo mm. kuran da fer no din <laughs> oh zamun yamai wanda yayi no goya din ah. o oh, me er ni ginno mm. daga tense da tense ni ku ni ko gudu ayo ayo fo ne ko kalefo <laughs> kan ni daga ko chino aran garan bani bani guna me era o man tonno te problem o oh. afon mogon kan nigi bankara ni grob robbo day oh. nigi harworize de nigi hewe day mais wallahi kan nin bunu sidia wallahi ni kontabo chimino ayo be ga te chorsi be ga te chorsi aha ay ah. chora hey ma sœur maintenant ma ma c'est Karima Karima oui tu as écouté avec attention elle dit qu'elle est au, au plus profond d'elle elle est franche et mhm. elle est sûre aussi que nous bokan gone hawe nous gochi nous avons mhm. nous émission bon nous avons dit matka dit d'accord ce mhm. qu'elle a dit c'est un point de vue dans ce cas moi aussi je peux refuter ce qu'elle a dit parce que c'est juste un point de vue elle a dit ce qu'elle a à dire et moi aussi j'ai dit ce que j'ai toi tu défends au fait euh, ton mec moi tu as un seul mec dit que je suis franche très ah, sérieuse mm. c'est mon mec et il reste hey. Et il restera mon mec. Il va se déplacer de Ouaga pour venir ici. Ok. Et on va fêter ensemble. Tu sais ce qu'on va faire on va lui faire une mention Il fait ça sur l'émission. Il s'appelle comment ton mec bon, Pour être vraiment très prudente, je vais vous donner son sobriquet. Ok. Il s'appelle Papi. Papi. Oui, oui. Ok, Papi, il, est, il, est, il, est, du Burkina Faso. non, c'est un Nigérien. C'est un Nigérien qui étudie là-bas. il étudie quoi au Burkina Faso Il étudie le droit aussi. Eh, hey, Papi, voilà, il nous cocarde. Papi, c'est Papi, Papi, Papi, Papi, Papi, Papi, Papi, Papi. Ah, Papi, mon wago, pipam, skoikaga. C'est nous. Fere. Maintenant, tu vas bien Voilà, je me porte en merveille. Il faut se nommer Kamborega, faire et faire, faire, Kacharga. Dine fait, il faut que Bormdou, Yaola, il faut que aya euh, kulmite fetto wate debora mandu wodi ba jonte il faut mm. to bere ni bay armangene fête mm. dine fête mo il faut que forcément borom fêter kutke e pas de ine kalnumtede wondi bobuno wala ine kalnumtede aros bobuno nebe bere oh ayo ay, mm. ay point de vue on garano mm. par exemple moi aujourd'hui comme elle vient de le dire mm-hmm. nous aussi nous les garçons on est en train de changer de stratégie mm-hmm. on ne compte plus sur une seule fille ah bon Ah oui. Okay, Donc aussi plusieurs plans. Voilà. Oh mais Donc on dit ça que ils Oh mais béré. Aram femme, voilà. Faire poser. Béré. Côté on a l'homme fait, Arme goro kongo ah, oh. OK. Oh. OK. Oh. no robana. Nimka digi quoi femme femme quoi donc on répliquer voilà ben. ben. technique de guerre honnêtement ber irni barmay ok c'est là que soir mo une stratégie on hein, peut aussi avoir plusieurs meufs au cas où afou nous fini nous plan bégon plan B de par ma petite expérience Farida les filles attendent ces moments pour établir souvent une facture salée au mec pourquoi ah, c'est sans langue de bois. D'accord. Dis-moi comment est-ce que tu vois les choses. Pourquoi vous attendez ces moments euh, pour nous soutirer de la thune Parce que c'est l'occasion propice. Une seule occasion de l'année pour donc. Euh, non, ce n'est pas la seule occasion. Mais pour que cette raison vous êtes... que les mecs donnent beaucoup d'importance. À cette fête Oui, à cette Donc il faut profiter un peu de la rareté de la chose. Alors plus, euh, plus la demande ou bien plus l'offre. Boro, économie non côté. Droit na gote. Droit gote. Parce que plus il y a, plus il y plus de monde gono, plus euh, la chose a de la valeur. Donc du coup, euh, nous sommes à la chasse si vous voulez en fin d'année. Plus euh, on vient vers vous, plus vous devenez cher. Oh c'est un peu ça. Plus on va beaucoup vous soutenir. Ok, dis-moi, c'est quoi ton plan et stratégie pour soutirer de l'argent, pour me soutirer parce que tu as plusieurs mecs considérons que je fais partie de tes mecs. Drague-moi sur l'émission, soutire-moi de l'argent. Actuellement Oui <laughs> Envoyez jeune au 80 06 88 54 pour réagir et recevoir tout le contenu. Une pause musicale s'impose, mesdames et messieurs. On va aller tout de suite et maintenant avec un jeune artiste nigérien qui évolue euh, quand même en carrière solo, qui a compris très tôt ce que beaucoup vont certainement comprendre très tard. Il aura son concert le 4 janvier. Alors, mesdames et messieurs, on va accueillir Haïma bora beri sande male igo gai sare si bande waki se kana isi gande ba ke varamo si banle lora goga kwele, kat kat kansi kantare kat kat kansi kondare lamba taki ga kansi wantare karabele karaga na benosi andare ai bere usu sangare doni fodu minai si katare kanisi si hey ay ay, ay ma kine ay na bonka ka ikigana isiye gaka nkangai na sauti ganjo kawe nisino banda fusika nisino banda iwaigoka MC hadinsi hini boka to sobai kadani akulukuluja alameja ina soja yondi soja hey. garbadiko haiman mbakariya heya heya heya heya heya heya heya heya heya zanama sani hausa sani cheja C'était à la musique de Hayman. Merci cette émission. L'émission continue. Nous sommes en tout cas en fin d'année. On sait bientôt, c'est 2020. Et 2020, qu'est-ce que tu as prévu pour nous en 2020, j'ai prévu le, déclic. Le déclic. Le déclic, c'est un événement. Alors, tu as prévu aussi un cargo. Un cargo. de combien de conteneurs De 12 conteneurs. Le nom de l'album, s'il te plaît, Hayman 28 11 cargo. 28 cargo. L'album s'intitulera 28 11, cargo. Alors, cet album, en principe, est de 10 titres. Hein, ok, d'accord, c'est ouais. euh, 10, conteneurs. Alors, il y a deux bonus tracks qui viennent donc euh, de s'ajouter à cette. Euh, Exactement. Ok, d'accord. Au, cargo. Au cargo. <laughs> Alors, on sait que le cargo verra le jour le 4 janvier. Alors, parle-nous un tout petit peu du contenu du cargo. C'est très important. Euh, je l'ai intitulé Cargo pour te donner déjà un très grand t'aperçu par mhm. rapport à quand on te dit cargo, ça te parle déjà d'un gros porteur. Mhm. Donc dans ce gros porteur là, il n'est pas forcément dit qu'il y ait forcément un seul article. Mhm. Donc il est constitué de, plusieurs articles. Donc euh, dans, dans, ces articles, tu vas trouver par exemple des sons engagés, euh, des sons dansants, euh, du hip-hop vraiment pur et dur et puis voilà quoi. De, toutes les langues aussi. Merci donc c'était à l'instant sur l'émission tout à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Merci, nous sommes toujours à l'université Abdou Moumouni. Chimino, les fêtes de fin d'année. Impact, conséquences sur les jeunes et tentatives de résolution de problèmes qui y découlent. Pour en parler, nous sommes avec les jeunes de l'université de Niamey, les jeunes branchés, comme on dit, qui préparent activement la fête de fin d'année. Parlons des impacts et conséquences de ces fêtes. Quel impact pensez-vous que ces fêtes ont sur les relations entre les couples les jeunes couples. Hein. Ces impacts sont-ils positifs ou négatifs Ma sœur, je te donne la parole. Hein. fait, qu'est-ce que cela peut avoir Un impact positif ou bien quel, impact cela peut avoir Impact positif ou négatif sur les couples Sur les Sur les couples. C'est Sherifa. C'est Sherifa. Sherifa. Quel impact selon toi Bon, positif parce que. Euh, positif pourquoi Tu peux te dire que tu vas te faire trois mecs et me dire que comment est-ce que les impacts sont positifs Bien sûr. C'est donner la chance à chacun d'eux. Ah, oui. comme tu es sur le marché. C'est ça ouais, elle sur le c'est une façon de parler. C'est sur le marché. Ah oui. Ok, Sherifa, j'ai eu ta réponse, je comprends en fait. Alors, on va, on va, on va. Euh, est-ce qu'on peut déjà parler aussi d'autres conséquences Malama, qui a une seule main qui attend jalousement. Autre conséquence de ces fêtes sur les jeunes, en dehors des problèmes de cœur, c'est également aussi l'imprudence euh, des jeunes dans la conduite, euh, dans la conduite, l'imprudence des fois. Parce que ans, il y a beaucoup de choses. On veut tout avoir le même jour. Les ah conséquences. Effectivement. Sans patience. On veut tout avoir. Il y a des conséquences négatives, tout comme positives. C'est quoi ces conséquences négatives Les conséquences négatives, comme de dire les, les, jeunes, ah. les jeunes, lors ah, ah, des fêtes, Ils, sont, ils sont vraiment imprudents. Les jeunes se permettent de faire du n'importe quoi lors des fêtes. C'est quoi c'est n'importe quoi, Si je prends l'exemple l'alcool. L'alcool. Quand on se retrouve en boîte, on se dit que c'est la fête. Ils prennent de l'alcool à l'extrémité. Donc euh, après la fête, maintenant on rentre à la maison on conduit et là, c'est les catastrophes. c'est les catastrophes. Mais des fois, même si on arrive sain et sauf, on se permet de faire un certain nombre de choses qui peuvent ne pas être. Bon, on n'est pas encore arrivé ah, là-bas. Là, on est <laughs> toujours euh, en circulation. On est toujours en euh, circulation. ça, c'est une conséquence négative. Négative, ok. Donc, Dans le euh, cas où on arrive à traverser la circulation, on est arrivé c'est à la On est arrivé, on est arrivé dans la chambre, on hmm. est là avec mon copain, voilà, il a trop dit. La fête. Je sais pas, peut-être elle aussi, elle, elle apprend un eh, petit eh, C'est la fête, on doit fêter. C'est la fête, on se permet de faire du n'importe quoi. Donc on s'est dit, c'est une seule fois, pourquoi ne pas faire ça Ok, donc du coup, c'est compliqué. Du coup, vraiment, ça donne une conséquence négative, vraiment. D'accord, super, on revient à toi alors. <laughs> mon ami. Euh, Maintenant, on dit affaire. Conséquence pour moi, Conséquence, pour va vere. Conséquence, en négo conséquence, la lemo gono, yame. conséquence en est c'est une conséquence en est quoi mhm. fait aux conséquences en est yiti basga bon nigudu basga kuma aran ga fete ga maka ne aran ga fete ga maka sai no isi fitun wala sai no subaka ko ko ko ko sai ko ko ko o ri fete ga maka consequence ya mo eh, consequence far consequence ya matkan eh, irwana nyak fosina wende zo din na ci sonda mhm. borango no kan feto no igice cigi profite da mm. imkwega hambaji wali mm, mkwinge wali mkwinge subuhan mm. boram ye kwega nga go popor wal moto za guzurandi mm. ndi wodi nkulu gono afu mo gono manti baji hayano manti subuhan yanno igon ninge ilakkal kwara amma iginenge mkursi ante de moto fetora kwa borangini kadinge inge mi yone yante kwa inge de cergamara bor kulum cebe kan ingo gwani moto didi problem fo yanno mm. wodi aga kata accident bo sanga drift yan dinge chele voilà drift yan dinge chele mm inge no kata masal bo ba d'accord alors euh, echora eh, matini nan sey fama nisa ismail ismail no matuno ndi feto matuno no go gasa muda matuno arango arango gateda matuno ni ifo go ni se harang harang haywa ga ni lomeno no ko ifo no go kondin lome feto no go kondin lome Bon, pas exactement. Je fais ton le met exactement. Mais quand même, comme à Dini, je vais quand même profiter pour faire la fête. Parce que ay mum bay ga fete no di lomi num ko deg dumat kana goda num ko andu nyi bak sene num tu zane kallome no man ta andu nyi bak sene sene num tu zanya mai kolome zanya mai kallome ismo go koy fete ismo ma alors je reviens avec mon avec ma, ma très chère amie Farida Farida tu soutiens de l'argent Considérons que tu as beaucoup de mecs. Est-ce que tu as une fois été victime des conséquences de comment est-ce qu'on appelle d'avoir soutiré de la thune Est-ce que ne bégoudou les conséquences parce que nous retard. <laughs> Non, non, dit. Non, non, dit. Oui. <laughs> D'habitude. Euh, la soirée du 31, nous, on est malade. Ah, on pas, oui. Hmm. Allô chérie, je me sens pas bien, c'est comme ça. Les, Anglais ont débarqué avec leur bonnet rouge. <laughs> C'est ça la stratégie. Chaque trentaine, Ah non, toi, de chaque trentaine, tu vois, les Anglais vont débarquer. Ah. Ou bien on va, être malade chaque trentaine. Oh. Non, on peut dire papa ah. nous a empêchés de sortir ou quelque chose du genre. De toutes les façons, on trouve toujours des excuses. on n'est pas femme pour rien. Ah oui je voulu l'aborder, mais je <laughs> Et puis, il faut voir qui Elle est trop stratégique. Elle a des plans machiavéliques. tu as entendu ce qu'elle a dit J'ai bien entendu. Elle va te soutirer de l'argent et en fin de compte. Calme Farga, Sidouba, Foy, Konda. Konda. Bon, bon Dandy, Ayo Edo Kota, vraiment, 31 fait, Oyo Mamba a dit assez. Tu es de bon quoi. Ah, ah oui Vous êtes toujours sur l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse euh, nigérienne. Vous pouvez recevoir tous nos contenus et envoyer vos commentaires en envoyant au 80 06 88 54. Un peu de musique avant de continuer parce que son année année online ngi Kalima Faragano, Sudouba. On va aller avec euh, Konda, Tout le monde, on y va. Konda, Konda. Voici donc pour vous, Kayan Gaskia, mesdames et messieurs, la Formule 1 sur l'émission. Et tout de suite, la suite. mata daga damuna a buga mishi daga damuna yarinya kai namiji kai yaro kai soho kai mata azohi kai soho ga yarinya Kamutuana. Vous écoutez toujours tout ça, la FADA. Nous sommes actuellement au niveau du campus universitaire hein, de l'université Abdou Moumouni de Nous parlons des fêtes de fin d'année. Impact sait sur les jeunes et tentatives de résolution des problèmes qui découlent. Nos invités, ils sont chauds. Alors aujourd'hui, on va euh, bien évidemment parler euh, donc de l'après-fête. Après les fêtes, on récolte souvent les pots cassés de certaines erreurs. Comment ça se passe ma soeur, après les fêtes, on euh, récolte souvent les pots cassés. Ah oui, effectivement. Et des hmm? de certaines erreurs. Et comment ça se passe Vous avez quelques expériences à partager avec nous euh, Oui, oui, effectivement. J'ai beaucoup d'amis mhm. qui se permettent de, faire du n'importe quoi. Donc, on, se partage les choses. Ok, c'est quoi ces choses euh, Dites-nous l'expérience que vous avez des amis. Comme elle venait de le mhm. dire, il y a des filles qui, qui veulent soutirer vraiment de, l'argent. Maintenant, mhm. si ton mec n'a pas d'argent, ou bien je sais pas, elle ne veut pas donner parce que c'est un pingre. Donc euh, la fille, elle sera fâchée, Et elle, va se dire que le mec là, il ne peut pas gérer quoi. Donc elle va, elle va le quitter. <laughs> Elle va les quitter et voilà, après la fête, elle va se rendre compte que vraiment, elle ne devrait pas quitter ce mec-là. Elle, aurait dû supporter l'inconséquence de cet homme ou bien la pauvreté, j'ai Mais moi, la question que je me pose, pourquoi même les filles, elles cherchent, va que va sortir avec 3, 4 ou 5 meufs Alors, on va, on va permettre à la soeur de s'exprimer par rapport à cette raison. C'est une compétition pour vous, c'est la fête, il faut se faire beaucoup de mecs non, ce n'est pas une compétition. C'est quoi le souci C'est à la mode. C'est la mode. Oui. C'est la fête, il faut avoir beaucoup de mecs. Bon, on a beaucoup de mecs avant la fête. Donc. Ah, c'est vrai, toi, tu as beaucoup de mecs avant la fête. Elle, elle, elle m'effraie, la fille. Là. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça Mon ami, tu vas te présenter. Oui, euh, moi, c'est Bacho. Bacho, tu voulais dire quelque chose par rapport à ce Par rapport à tout ce que vous, vous, venez de dire, mhm. moi, j'aimerais dire, vous avez posé la question à Karima, à savoir quelles étaient les conséquences positives et négatives mhm. de, certains comportements relativement au fait du 31. Mhm. Moi, j'aimerais dire quoi par rapport à ça Les comportements des filles par rapport au 31, c'est-à-dire à dire voir plusieurs mecs découle quelque part de l'inconséquence de nous autres les garçons. Mais quelque part, quand tu sors avec un garçon, comme elle l'a dit, papy, il n'est pas encore à, à, mais elle tient quand même à lui. C'est ça, c'est là vous devez dire que elle, elle a, elle a un objectif précis et de façon collégiale avec lui, son copain. Ce qui fait que nous, quand on est inconséquent souvent, avec une fille, souvent, c'est peut-être elle qui court derrière toi et que toi tu fuis, ou toi qui cours derrière elle qui fuit. Naturellement, quand 31 va arriver, elle va elle va saisir la première occasion qui se présente. Déjà que toi, tu ne peux pas l'amener à Radisson Blue, tu ne peux pas l'amener à Bravia. Et quand une occasion se présente pour aller là-bas, elle se fixe comme objectif de découvrir Radisson Blue, de découvrir Bravia et autres. Mais forcément, elle va te tu t'endettes voilà. Ou bien tu pars faire ce que tu déjà, déjà, déjà, elle sait. Ah déjà, tu sais, elle sait que tu ne peux pas l'amener à Bravia. Donc, c'est lui qui vient, par exemple, avec une Mercedes-Benz toute neuve, oui pour la draguer. Mhm. Tu vois, parce que moi j'ai vécu ça. Hein. Mhm. J'ai vécu ça à un moment. J'ai été victime. été victime, voilà. <laughs> tu, es victimisé. Oui, j'étais victimisé. tu vois quelqu'un qui gare, ça va victimiser. Qui, prend ta, copine dans une très très belle caisse. Mhm. Mon ami, tu peux dire quoi Fils de Tu vois. Ça veut dire que quand euh, tranquillement j'ai des vagues, je te prends ta C'est perdu d'avance. Qu'est-ce que je peux faire Maintenant, peut-être après, quand les conséquences. Eh mais après, les conséquences, toi, tu seras eh, eh, l'agent causal de ces conséquences. Parce que tu vas partir avec elle lui offrir ce qu'elle veut, tous ses rêves, mais en réalité, en retour, elle va offrir toi aussi ce que tu vois, ce que tu rêves. En principe. les Anglais ont débarqué. Pas de souci. Alors, mon ami, je te donne la parole, c'est nous, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Quel message avez-vous à lancer aux jeunes qui s'apprêtent à, rentrer pleinement dans la fèvre du 31 décembre, euh, par exemple Vraiment, en veille, si vous voulez des conseils. Conseils. Conseils. Que chacun donne, euh, en tout cas, euh, son avis par rapport donc à ça. Donc, euh, conseil auquel nous a été c'est quoi ki gite kwa imate isa sabante imla sabu mojina gati <laughs> nema imate di isa sabante ifo se zama alwat fo yangono feto magase nimne nima hayate gi bisa awani limito ingono ko masal bobo kan apre ni kwega furu wai dulura ya burama te di sabante inuma de an kansenci conseil fono ah, gonse ayo conseil kanga ise kanga igno jeune ise ngoti diga fete fete de lakkal zam sun da manti lakkal no borete bo ben no gona kamata zama feto dirnde de ngir dirnde dirnte box har bo ben no gona kan irgite irkan irsibai yaringa aiki jene lakkal cendi mu doga fete vraiment avec modération là vraiment Farida nous déjà nous conseillons les gars bah, c'est quoi continue je, commence tu continues le conseil que je peux donner aux jeunes mhm. c'est de leur dire d'être euh, prudent ah, prudent. Ah, oui. donc de fêter avec modération euh, mon ami Oussou, c'est ça Bacho. Bacho, Bacho, un dernier mot Bon, le dernier mot que j'aimerais dire, c'est d'adresser un certain nombre de conseils à mes amis, euh, à tous les jeunes que nous sommes, mhm. de vraiment partir avec modération. Mhm. Parce que vous avez dit, c'est un, moment de fête. Mhm. Il y a tout ce qu'on appelle comme et boissons, il y a tout ce qu'on appelle comme euh, excès, excès dans certaines, dans certaines démarches. Par exemple, si on ne peut pas empêcher aux gens de, de mhm. boire, parce que c'est une initiative, mhm. mais quand même de boire avec modération, parce que dans certains pays, il a été prouvé que chaque 31, on a juste plus d'accidents que les autres jours. Même ici, même, au Niger. Ma soeur, Sherifa. Karima. Ma soeur, Karima. Conseil Fonono Gwanda, Ewe Mewe Kanga Alboré, Margou en face d'accord je lance vraiment un appel vibrant à tous les jeunes nigériens et ceux du monde entier d'être vraiment de partir avec modération. Et l'appel, c'est surtout à l'égard des filles. Je dirais aujourd'hui, il faut être réaliste dans la vie tu peux pas vouloir prendre de l'argent avec euh, trois à quatre mecs et sortir avec un seul mec, laisser les autres. Puisque dans l'histoire, on a assisté à des scènes des mecs qui se pointent à la devanture de leurs copines pour les attendre lorsqu'ils seront bluffés. Mhm. Maintenant, le gars là, il va attendre. mecs qui partent au restaurant disent « quoi, euh, Voilà, c'est sur ça. voilà, ah il faut enlever ça. Si je peux pas sortir avec toi, tu, oui, et, tu me remets mon argent. Alors, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Mr. Olivier, c'est le paparazzi des nets. Il va nous parler de tout ce qui fait le buzz, le buzz et le bouse Je vous demande de faire un maximum de bruit pour accueillir Olivier. Olivier, ça va, bien les fêtes de fin d'année, Mr. Olivier, on te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, bonne bonne fête de Noël à toi, mon frère. Merci, frère. Merci beaucoup et bonne fête de fin d'année à nous tous. Merci. Et ce soir, j'ai quelque chose d'exclusif pour nos auditeurs et pour les gens qui sont à la FADA. Okay. Ils sont nombreux, ces gens-là, qui derrière travaillent pour que cette émission soit réalisée. Et ces gens-là, on les écoute très rarement à la radio. Et quand je parle de ces gens, je pense à Abdoulaye Mato, à qui je vous prie d'applaudir la énormément. C'est lui qui assure la technique. Alors, Dandy, on écoute ça. La chronique de ce soir est vraiment spéciale. Je vais rencontrer des gens que vous n'écoutez jamais à la radio en passant par le chauffeur, le technicien et bien sûr Ousmane, celui qui gère le numéro WhatsApp, celui grâce à qui vous recevez souvent les informations. D'abord, le chauffeur. C'est la fin d'année. Nous vous souhaitons, avec l'équipe de la Fondation Hirondelle, euh, et surtout au nom des chauffeurs, au nom de toutes les chauffeurs et l'équipe complète, Studio Kalango au compte de la Fondation Hirondelle, bonne euh, heureuse année et bon courage pour, euh, pour l'écoute, à l'écoute de l'Istadio Kalango. Vous venez d'écouter Amoussa, c'est lui le chauffeur du studio Kalangu, grâce l'un des chauffeurs, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs ici au studio Kalangu, mais c'est l'un des chauffeurs, ceux grâce à qui on se déplace et on vous retrouve où que vous êtes pour vous donner la parole. Là, je vais passer la parole à Ousmane Mamoudou, le webmaster, celui qui gère le site euh, du studio Kalangu, celui grâce à qui on est présent sur les réseaux sociaux. Alors, Ousmane Mamoudou, un mot pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs pour l'année 2020? Alors bon, moi je leur souhaite euh, plein de bonheur et surtout plein d'infos parce que quand même nous ici on fait beaucoup d'informations. Donc suivez-nous, écoutez, ne, faites pas trop la fête. Si j'étais toi, tu sais ce que j'allais dire Oui. Faites attention aux fake news. <laughs> Ah, ça, ça c'est pas faux, ouais. ok, Ousmane a confirmé ça, c'est pas faux. Là, je m'en vais rencontrer un technicien. Alors là, je suis avec euh, Senissa. Ici à Kalangu, il y a plusieurs techniciens. Il y a Senissa, il y a Lawali, Salawali. Ils sont beaucoup les techniciens. Mais exclusivement, je vous donne aujourd'hui la parole de Senissa. Lui, il est toujours derrière la machine, mais c'est grâce à lui que vous nous écoutez. Senissa, qu'est-ce que tu as à dire à nos auditeurs qui nous écoutent eh, Merci Olivier, merci de nous avoir donné la parole. Au nom de tous les techniciens, je souhaite tous nos vœux les meilleurs pour l'année 2020. Et surtout pour nos auditeurs qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs et à tout le personnel. Merci beaucoup, Séni. Et là, je m'en vais chez le coordonnateur du programme des jeunes ici au studio Kalangu, Monsieur Abibou Garba. C'est lui qui est derrière la machine, c'est lui qui galvanise l'équipe. Abibou Garba, un mot pour nos amis jeunes qui nous écoutent de partout au Niger pour la nouvelle année. Quels sont tes vœux pour eux Je leur souhaite euh, joie, santé et prospérité. Et je les remercie beaucoup d'avoir choisi le studio Kalangu à travers ses radios partenaires pour s'informer. Merci vraiment. On est ensemble. Et 2020 on va encore vous surprendre merveilleusement, cher ami Jeanne. Merci beaucoup. Restez informés. D'ici là, portez-vous bien. Et beaucoup de paix pour le Niger, beaucoup de paix pour le Sahel. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Mr. Olivier, pour la chronique, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Encore 30 à 1 minute à passer. Donc, euh, ensemble. Alors, de récapituler. Inéha, hein. un de mosmos dine imane dole dole kadnem koy gin bon lebandi lebandi en foduma mune kanim baji han kam na ma himan ma han zam se jingarno kanim mot samugine ngi foru ko gin bon leban parce que mot wala popor kan samugine zam se jingar ngi forunda dem cewomon keri igen gar morga yan ga woni o kulu kasaya beni kasaya ganda bormo morde isa bane nden feteno fandane aram ko mosmos wondeyimo kangoga arusu boba morgu ine o laramo haggoy aramis ko gisor aramis ko sar subse ayoy mu famu anengi arus folonde no gongse ago burkina ango gabato yanga woy mu bobu gono kanyan mu e arus folonde no gois wo kanga bata tayir gamo wallahi mosmos zam batata on halasi ino dun ko batata ne c'était l'émission tous à la fada mesdames et messieurs on se donne rendez-vous très très prochainement bonne année 2020 bonne année bonne année tout le monde bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année 2020 c'était la machine bonne année et les humains